C'est bon pour tout le monde Voilà. Monsieur le ministre, vous venez de recevoir un important lot de doses de vaccins de la part des États-Unis. Euh, vos premières appréciations d'abord. Je vous remercie. J'aimerais d'abord, euh, au nom du chef de l'État et au nom du peuple sénégalais, remercier euh, les États-Unis pour ce don extrêmement important qu'ils viennent de faire pour 151 200 doses de vaccin Johnson Johnson. Excellent, j'aimerais véritablement vous remercier au nom de son excellent le Président Macky Sall et au nom du peuple sénégalais. Il s'agit euh, d'un don extrêmement important parce que devons nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination. Vous savez que nous avons reçu plusieurs dose de vaccins depuis le début. Et ces derniers temps, nous avons senti effectivement une tension au niveau des stocks de vaccins. Ce dont donc vient véritablement à son heure et va nous permettre d'accélérer considérablement nos stratégies de vaccination. Excellence vient de le dire, la vaccination est véritablement une solution très importante contre la propagation de la pandémie. Et cela est tout à fait clair, c'est pourquoi dans nos stratégies de vaccination, nous avons désormais élargi donc, la cible. Maintenant, à partir de 18 ans, euh, les populations sénégalaises peuvent venir se vacciner. Ça, il est extrêmement important de le noter et de le dire. Autre euh, élément essentiel, euh, il va falloir continuer effectivement dans ce sens, parce qu'à partir du 26, nous allons effectivement recevoir d'autres vaccins, ce soit Sinopharm, et nous allons poursuivre dans le cadre de l'Union africaine. Nous attendons encore un don extrêmement important de Johnson Johnson. Et cela, c'est simplement donc en cohérence avec euh, la politique volontariste du chef de l'État qui consiste à ne pas attendre, à y aller et à faire tout pour que le Sénégal puisse disposer de vaccins à quantité suffisante. L'objectif global, c'est de vacciner quelques 9 millions de Sénégalais. Et si on euh, capitalise et on fait la somme de l'ensemble des doses que nous attendons dans le moyen terme, nous croyons que cet objectif-là va être atteint très bientôt. Autre élément important, c'est le positionnement du Sénégal euh, pour être bientôt un up dans la production vaccinale. Cela, on se l'a dit, avec l'Institut Pasteur et beaucoup de partenaires techniques et financiers, dont les États-Unis, nous sommes effectivement dans cette perspective-là de faire en sorte que, courant 2022, au Sénégal, qu'on puisse effectivement voir commencer la production de vaccins. Ce qui va naturellement positionner le Sénégal comme étant un hub de production qui lui permettra, non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région et en Afrique, de faire en sorte que la vaccination soit véritablement donc d'accès facile. Et c'est cela, à mon avis, la solution. Mais d'ores et déjà, nous nous réjouissons et nous remercions les États-Unis pour cette marque importante de solidarité qui aujourd'hui envoie un signal fort au monde. C'est véritablement essayer de résoudre la fracture vaccinale parce que jusque-là, le monde vit une fracture vaccinale qui est inadmissible et les États-Unis viennent de démontrer à la face du monde que le monde est véritablement un seul village planétaire et on ne peut pas se protéger quand on laisse l'autre à, la portée, à la merci de l'ivresse. Monsieur le ministre, cela arrive à un double contexte. D'abord, la fête de Tabaski avec tous les déplacements que ça suppose, mais également une période où on note une hausse vertigineuse des cas d'infection. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce, lot qui est reçu, euh, le Sénégal peut pousser un ouf de soulagement Je ne vais pas dire que le Sénégal euh, peut pousser un ouf de soulagement. Il s'agit euh, de vaccins qui viennent euh, à une période où on a une tension sur les stocks de vaccins. Aujourd'hui, dans le monde, euh, il n'est pas facile d'avoir des vaccins. On peut avoir son argent et ne pas en avoir. Mhm. Si aujourd'hui les États-Unis font un don, il faut absolument s'en réjouir et accélérer la vaccination en attendant donc de recevoir les autres doses attendues de Sinopharm, 324 000 doses encore attendues de Sinopharm, et les autres doses attendues dans le cadre de l'Union africaine. Euh, cependant, il faut quand même euh, dire que la vaccination est une chose, mais la protection est une autre chose. C'est pourquoi nous avons lancé un appel fort dans ce contexte euh, de la Tabaski pour demander aux Sénégalais de nous aider à vaincre ce virus. Comment nous aider à vaincre ce virus De respecter les mesures barrières. Et aujourd'hui, il est important de se dire que nous devons éviter la propagation du virus dans l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous savons que c'est au niveau de Dakar que se concentre l'essentiel de la positivité des cas, autrement dit 68% des cas se trouvent en Dakar. Il est important de se dire que la propagation dans les autres régions à un niveau exponentiel nous mettrait dans des conditions de travail extrêmement difficiles et va exposer notre système de santé qui reste de ce point de vue-là de saturé. Je lance donc un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais de se mettre ensemble comme un seul homme pour barrer la route au virus. Mais j'en profite aussi, si vous me le permettez, pour féliciter et encourager les personnels de santé et d'action sociale qui depuis plus d'un an se battent de manière permanente, H24, pour véritablement stopper le virus. Il est important de le dire et de le redire, de le réitérer à chaque fois parce que aujourd'hui,

wax ne si turu président Macky Sall ak euh, si turu Sénégal yëpp ñu ngi gërëm bu baax euh, États-Unis si li ñu def tey mooy jël cent cinquante et mille doses cent jox ko Sénégal muy vaccin bi ñuy wax Johnson and Johnson excellence ñu ngi leen di gërëm président moo leen di gërëm peuple sénégalais moo ngi leen di euh, li ñu jot tey nag dafa ñëw si moment boo xamante ne mbiru vaccin nekk na vraiment wax wax nekk na coow lu bëri parce que mën naa wax ne presque vaccin amatul woon si structure de santé yi parce que li ñu jotoon ci Sinopharm ak AstraZeneca presque lépp utilisé doon nañ ko te am vaccin structure yi dawoon na jafe bon li ñu jot tey danañu permettre ñu accélérer donc vaccination bi parce que vaccination dafa nekk loo xamante ne gëm nañ ne mooy stopper virus bi li ñuy demandé parce que une stratégie dañ ko élargir léegi ku am 18 ans rek ba jëm kaw mën nga ñëw structure de santé yi ñu vacciné la bon de li ñuy demandé sénégalais et te suñu objectif à terme mooy ñu vacciner plus de 9 millions de sénégalais mooy ñi 18 ans et plus loolu nag li ñu jot tey dana si bokk mais ñu xaar dose ñu jot parce que nous xam nañ avec euh, Union africaine nous avons à peu près quelques euh, je crois 6 millions de doses avec euh, donc euh, COVAX nous avons xaar aussi des doses donc doses yooyu bu ñu leen jotee yaakaar un objectif bi avons ne couverture boo 9 millions de Sénégalais dañ sont vaccinés à moyen terme mais dans l'immédiat nous avons très rapidement bu ñu doses ñu yóbbu ko si structure de santé yi sénégalais yi ñoom jox leen ko le plus rapidement possible parce que benn dose la mais si ay fan yu à partir du 26 parce que Air Sénégal lay dem 26 jëli dose yooyu danañu jot euh, beneen livraison boo xamante ne Sinopharm lay dem bu boobaa aussi bu ñëwee nañ ko utiliser le plus nañ ko utiliser nous mu gën a nu mu parce que loolu mooy tax ñu stoppé virus bi beneen bi mu bëggoon aborder mooy que ne Sénégal yemul rek si di outil ay doses, yoo xamante ne daf depuis uti bitim daf ne fii si Afrique war nañ mën am dëkk boo xamante ne day taxaw defar ay vaccin Sénégal na nag loolu du bàyyi kenn jëkk ko si da jiitu président de la république wax ni ko moo tax euh, signé nañ benn convention si fan yële passé pour que courant 2022 euh, institut Pasteur de Dakar mën a defar ay vaccin fii si réew bu ko defee nag non seulement Sénégal dana si jëriñu mais danañ ubbi ba bépp pays Afrique bu si war am nga am ko si parce que c'est vrai que Sénégal lañ koy defaree mais pour njëriñu Afrique yëpp la loolu dafa am solo parce que léegi dëkk bi àdduna dafa nekk àdduna boo xam ne dafa ubbeeku kenn manul ne rek man maa ngi tëju sama réew vacciner sama population bàyyi ñeneen loolu moo tax tey États-Unis def lu mel nii mais ñun aussi war nañu taxaw pour defaral suñu bopp vaccination bi daal dafa nekk loo xamante ne àdduna bi yëpp daf ko war a bokk loolu itam ñu koy euh, noté noté bu baax. may terminé rek si lancer un appel dañoo nekk si donc euh, période tabaski période boo xamante dem ak bi day bëri mais ñu lancé un appel képp koo xamante ne nga toog fa nga parce que épidémie bi téeméer yoo jël juróom fukk yi ak euh, euh, si Dakar la nekk bon bu ne dem ak dikk bi dañ ko ubbi ko dem génn Dakar bu ñu ñëwaatee ñu ragal fa ñu ñu partout Sénégal bon ñu demander respecter prescription yi respecter mesures barrières yi bu ko defee ñu maîtriser pandémie ñi koy maîtriser nag Sénégal gépp la yaakaar naa ne réew mi yëpp ku nekk rek da nga am benn waar ci tool bi mais waar ci tool bi terewul aussi ñu remercier encourager féliciter bu baax les personnels de santé et d'action sociale parce que nekk nañ ñoo xamante ne wax dëgg yàlla seen jàmbaar seen fit ak seen taxawaay réew mi yëpp naw leen naw leen moo tax en tant que ministre au nom du président de la république je vous encourager, di Je Covid 19 merci vous nous permettre d'avoir photo. bien vous transférez. c'est bon. merci. merci beaucoup. excellent je vous